Salam alaikum. Mon nom est je suis étudiante à l'école nationale des arts en licence 2 option animation culturelle j'ai aussi euh, ma licence à l'université virtuelle du Sénégal multimédia internet et communication bon déjà man suis jàng <laughs> bàyyuma jàng euh, dama am juste vacances ou quelques mois J'ai vu que géjoon casa Casamance tamit ma suis passé tabaski bi les bi j'avais plein d'idées en tête quoi parce que man moom <laughs> ku ma j'ai toujours été polyvalente et en plus euh, mënuma di toog nii sans rien faire Je suis bëgg actif de nature léegi du coup ma j'avais plein d'idées en tête je me disais est-ce que du ma des marchandises à Dakar ñëw à Djaïko. Mais après vu que zone bi laa màggee fii laa yaroo xam naa euh, donc disons yenn business yi ni muy kii quoi certes day dem mais dafa yéex et je me suis dit que ce serait pas rentable comme je ni mu puis ma doon ñëw je dit ok kon dinaa def ay confiture madd di ko jaay bi ma j'ai vu ma mère ni dafa doon defar was was nag mon jinjeer la citron euh, tisane à base de produits 100 naturels il y a aucune substance euh, chimique déjà ma ñëw gis que mon doon def di ko di ko di jaay quoi mais mon support bon bi la doon yeb je dis ok ma ne ko mère andil dinaa ko defar di dem jaay bien marché et c'est là que bob de faire was. Au début, ce n'était pas facile parce que nous ne savions pas quoi. Je pense que Ben nit rek moko fi don jaay. Mom je pense que mew ginger la don faire Et du coup, mo niveau de ginger ak Au début, c'était difficile. ko té il fallait les expliquer que c'était des produits 100% naturels et qu'il n'y avait pas de danger. Au contraire, euh, de participer plutôt à sa santé. quoi si laa commencé di ko jaay ma gis gars yaa ngi koy bëgg j'ai 100 francs laa ko doon def après j'ai commencé à faire des commandes de bouteilles de 1 litre qui yoo nga xamante ne moom à 1500 si commencé des di di quoi pour euh, juste mes mes trois mois de vacances après mu war a delluwaat dem jàngi quoi. je me dis que nit ku que tu es maître de ton destin quoi c'est vrai que life bi métti na torop que pour nous, sax di comme ñoo xamante ne néew ñu di liggéey surtout il faut que tu aies un, esprit créatif en fait nous dañoo si en genre ils te disent habille-toi va à l'école prépare-toi pour être un ministre prépare-toi pour être un directeur un, président etc. » du coup ils donne un complexe si pour équipe donc ils se disent que donc tout ce qui est commerce genre euh, des trucs locaux da koy quoi pour moom loolu du ko a rapporter alors que c'est tout à fait le contraire monde bi évoluer ñu ñëw si milieu on est dans le monde de l'entrepreneuriat, ça tout le monde le sait certes que liggéeyal nit neex na mais liggéeyal sa bopp amul lu dak, dàkk loolu quoi te life bi métti na de telle sorte que boo amul ngor soo si tu n'es pas patient da ngay gaaw a xaddi métti na torop nag surtout nag boo doonee jigéen di daan sa doole surtout boo donner jigéen di dans sa dolé parce qu'ils se disent que la femme elle est vulnérable faible pour certains je dis pas je généralise pas hein, pour certains Si bu ñu gisee jigéen di daan dolé rek dañuy qui ni dafa néew de telle sorte que ñoom mën influencer pour jàppale Mais Mais nit <laughs> parce que comme je vous dis les caïmans ils sont partout ils sont partout Moi, je suis mannequin Déjà, tout le monde dit que c'est dans le milieu de, de l'art et de la mode. Mais je vous précise que ce n'est pas seulement dans ce monde-là tout récemment avec marché DJ, C'était un homme influent je veux dire le me suis tout il a commencé à parler de son parcours ça m'a intéressé et on s'est donné rendez-vous je pensais qu'on allait parler même de de commerce et de projet quoi vu que c'est situation à son mais à ma grande surprise n'était pas le cas on m'a offert un iPhone <laughs> plus télé <laughs> plus de l'argent et tout ça tu vois genre toujours rencontrer genre gens en personne. ils sont là pour t'aider ils sont là juste au fait pour te faire croire que sans eux tu peux pas arriver c'est là que euh, surgit comme adresse la confiance en soi Niki, je me dis que bon gamin sa bopp lépp loo séntu di nga a yegg surtout boo xamee foo jógee xam foo jëm dalay yomb quoi donc euh, reculer pour mieux sauter c'est pas c'est pas un crime en fait tu sais genre personne non, noonu boo nekkee jigéen ne nga doon koo xamante tu tu te présentes publiquement ou pas, ça même nous ça. Dis-toi que tu peux rencontrer ce genre de personnes-là à tout moment. À tout moment, tu peux les rencontrer. Et c'est à toi de savoir, de définir tes objectifs, de savoir qu'est-ce que tu veux, à, quel chemin prendre. Quoi. quand il m'a commencé à parler de son parcours, qu'il a eu un diplôme à l'École nationale des arts de Paris, déjà, ça m'a séduite, quoi. Vu que je fais la, euh, animation culturelle à l'École nationale des arts, du coup, j'ai dit, voilà, waouh, maa doon séntu leneen mais aussi maa ngi doon séntu euh, des projets qu'on pourra faire en commun parce qu'il me parlait de business à yooyu non parce que les 30 minutes yu ñu xamante woon si loolu lañ doon wax doon bon il a attiré ma confiance aussi parce que xam quoi ko xam ko du coup voilà à non à ma grande surprise nous rencontre m'a dit dama laa njëkkoon wo jotuma la mais ne ko oui c'est vrai parce que tombé boobu non dañu jóge won juste euh, si euh, loolu village bi encore nous de Balingor falaa demoon di jay <laughs> dama bëgg dërëm la <laughs> demoon di jay quoi léegi une fois mu jógee foofu juste fa lañ jëlone sama téléphone après bima ko que ko c'est vrai j'étais un peu injoignable parce que j'avais pas de téléphone m'a dit ah ok et tout de suite il a sorti un iPhone euh, X je pense avec la facture et tout mu woon ça coûtait 250 000 j'ai ok mais je je vous posais des questions quoi mais c'est quoi le but au fait bon je suis restée calme et sereine comme dans toute situation le la tu restes calme quoi je l'ai écouté je suis jugé de très de très tôt ma il a fini il a donné euh, l'iPhone puis il a compté cent mille billets comme ça il ma dit, Li, ne peux pas pour que comme ça agrandir ce projet ok mais la rencontre d'aujourd'hui c'était pour qu'on parle le projet non si je ne me trompe pas sauf que voilà merci de votre générosité mais je ne comprends pas pourquoi pourquoi tout ça il n'a rien dit comme c'est devenu à la mode quoi, genre, ils te disent rien du tout et s'approchent de toi par diplomatie, ils te parlent jusqu'à ce qu'obtenir ce qu'ils veulent de toi. Mais moi, j'ai compris en fait ce qu'ils voulaient, Dès qu'il a sorti de l'argent, de son téléphone là, j'ai tout de suite compris. Mais je suis restée calme et sereine. Je quoi. Comme toute personne, qui connaît mon aussi en jugeant trop vite. Je il s'est approché de moi il m'a dit Je veux que tu fasses comme si. Euh, on se connaissait depuis 5 ans, est les toi et tout ça, il ne se passera rien, c'est juste son moment, après voilà, c'est fini. Mais <laughs> ça a été un moment où voilà, je me suis quoi. J'ai jamais pensé que Dino Dal, pour être franc. Je l'ai Malgré le calme que je me instauré, mais j'étais vraiment perturbée. Je ne m'y attendais pas. C'était une grande surprise. Surtout quand ça vient d'une personne, personne que tu connais en fait. Je après il m'a fait croire que sans son aide moi je ne peux pas arriver c'est là qu'il m'a frustrée vraiment là il a vraiment touché ma, <laughs> ma sensibilité j'ai dit ok donc tu veux me faire croire que sans ton aide je ne peux pas arriver j'ai dit désolé mais si si y il ñu mu sàkk yëpp ne ko nga jégal ma si kàddu yi seen genre y a si a pire parce que y a leen jàppale nit ki mu yegg au bout du sommet vous lui faites croire que sans votre aide il peut pas arriver alors que yow milieu li y a may tey may na ko say junni morom te man gëm man fi nga yegg ni dina fa romb. si tu n'es pas forte mentalement tu peux céder vite tu peux céder vite bu que ni euh, gëm nga li nga doon quoi mën la mën la xaddiloo quoi mais c'est pas une raison pour moi toute femme bo xamantene dund nga rek je me dis que li c'est pas une raison en fait pour que tu cèdes au contraire ça doit être un défi man j'ai des copains des copines yo me disent que tu es féministe mais ne ko bu fekkee. C'est le fait de refuser ce genre d'acte ignoble qui fait de moi une féministe. Alors je suis fière de l'être. Donc je me dirais que je suis féministe, avec haute voix en plus. J'ai catégoriquement refusé son aide. J'ai plus repris contact avec lui, malgré le fait qu'il a cherché à me recontacter. C'était une manière pour moi de lui faire comprendre que, plus ça m'a plus encouragé ñëw naa fi j'avais jour boobu moom ja dem woon après c'était un jour boo xamante ne mun ne ça supporter je me suis enfermée dans ma chambre pour me calmer wu génn si ak surtout ak ma rakk yu jigéen je les ai fait comprendre là de dund sama journée que lii mun na xaar aussi à l'avenir qu'il faut s'en méfier après voilà j'ai pris j'ai appris la leçon en fait ma continuer di gën a góorgóorlu <laughs> gën ma ça m'a pas découragé du tout au contraire ça m'a motivé ne sais pas exactement Je ngi la fois dernière je me suis dit peut-être que je naa le une fois à Dakar mais tout le monde sait comment il à Dakar quoi. Dakar il y a trop de pression il y a trop de stress et tout mais bon ça dépend de l'environnement quoi bu que am temps je peux le faire sinon voilà il y a plein de choses qu'on peut faire hein. <laughs> il y a plein de choses mon c'était juste les vacances bon aussi jàppale sa yaay moom à ci et rëccuwuma ko tamit ah maa ngi ciy maa ngi ciy sant yàlla bu baax. beaucoup de personnes se posent euh, cette question là et c'est une bonne question hein, question pertinente que nit bu nekk war na ko xalaat aussi bon man moom dama ne jaay dama ko tam dafa ma nekk xale quoi sama yaay ma doon jaay marché ñu ko daan yóbbul añ bu ñu paree voilà jël jaay bi di wër ak bi moom biir marché kon dafa dem ba doon benn habitude quoi c'est c'est devenu naturel après fur et à mesure may màgg je me suis rendu compte que jàng baax na ah oui c'est bien. aussi outil xaalisam neex nekhna parce que tay imagine toi euh, ngay jang nga amal sa bop as lu ndaw quoi baña a quoi surtout bo dul xeb mom di ci sentir sa bop man déjà jay was may was ni mi ngi fatte sama sama sama besoin personnel yu beur duma fi nek di ñaan kenn duma fi nek di di di xulo kenn ngir say mi lak yoy bo ma maye ma jël bo ma mayul ma defaral ko sama bop business bu wën pourquoi pas bo maye ma defaral ko sama bop lu dong la gëm donc ak jàng bi mën perte de temps ou pas je ne le pense pas parce que je me dis que tout est question d'organisation il suffit juste que tu t'organises ça emploie du temps en fonction ça emploie du temps ak nan ngay mën ou soit def métier sans pour temps, mu am moi je suis UVS ça a été très avantageux parce que vu que c'était des cours en ligne donc en ligne ça me dérangeait pas trop Je suis dem def li def après voilà ñëw euh, connecté waat bind mes cours mais je suis ENA aussi c'était des cours présentiels du coup euh, am na lu bëri lu mu quoi mais j'essaie de m'organiser parce que les week-ends parfois j'ai le temps libre on naa faire mes petit business ou soit mes répétitions ou soit mes défilés ou soit casting d'actrices et tout ça Ça ne ça me gêne pas du tout question d'organisation là, rek monde bu doit doit évoluer de telle sorte que je me dis que n'est que di tam, tu perds juste ton temps fait que tu sais que tu as du talent sur quelque chose la seule chose à faire, c'est de t'affirmer, de, t'imposer en fait, et assumer les que tu surtout jeune la kajamas elle est riche en fait nous ñëpp pour Dakar mais une fois à Dakar que tu te rends compte en fait que ici c'est saturé tu ne peux pas faire toujours ce que tu veux parfois c'est le manque de temps parfois condition conditions, sont dund parfois il y a donc ben moment da découragé et chaque fois que je suis venu, business avec la vie. Toutes mes vacances, je préfère les passer en Casamance, liguer, ben moment, après voilà, modèle war, nekatchil, manekon donc. Et juste confiance en vous. Quand esprit de complexité, bunek, fi, d'un ko wara gagner quoi. Parce que fi, nous le jaune, bon, on y Casamance. Il y a que les étrangers, quoi. Il y a que les étrangers qui sont ñoo xamante ne juddoo ñu fi mais dañoo ñëw fii pour outil dara ñëw fii pour seen ñun ñoo ngi fiy jógee di fi bàyyi teranga di dem di ko uti feneen alors que mun nañ ko fi am mun nañ ko fi am baax dugal biir marché raar nga gis benn cantine boo xamante ne day jaay ñun ne la diw <laughs> voilà benn euh, ki ko moom jeeju la sant wala ndaw wala wala Sané la sant wala Jeme la sant man damay rencontré genre personne yooyu damay dem jaay yooyu yow noo sant ma ne la waat ñu ne ma ah dëggoo Casamance ma ne na bien sûr man ma mère lay joolaa man je me dis sax joolaa la man peut-être que j'ai eu la chance depuis toute petite mais man ça me gêne pas du tout donc je me lui dis que filles, s'ils ont des idées s'ils ont des projets ils peuvent y réussir ici ça peut voyager dem mais filles il y a plein de choses qu'on peut faire ici donc ayez juste confiance en vous et fixez-vous des objectifs ne vous laissez pas berner par le temps quoi parce que bien le moment, quand tu es jeune, entre 20, 19, euh, euh, voilà, 25 ans, tu te dis je suis jeune, j'ai l'avenir devant moi. Non, tu as l'avenir certes devant toi, mais vous faites que Niki, au moment où tu ne t'es pas imposé. tu moi affirmé sa bob. Euh, mettre tes idées en place, en action. Tu ne pourras pas, parce que le monde entrepreneurial est de ton fil. es fur et à mesure, tu Si tu à tu Déjà, maintenant, mes vacances, je dois rentrer, mais j'ai encore plein d'idées en tête je me dis, je me comptais voilà, j'allais venir un peu plus tôt. Quoi. Je remercie Yenwa Casal TV. C'est une ligue qui a fait de Casamance. Vraiment, c'est un travail qui a fait Et aussi, de remercier mes Wadjour. Je remercier Boubar. ndax gis naa vraiment lu ñu def si man quoi may nekk xale ba tey rëccu ma di remercier aussi euh, Samay yaay bi nekk Dakar ci gëm a nekk asukam ak sama papa Jooj Moustapha moy di remercier bu baax a baax na awma sen fay bu muy metti ñoom la gis di remercier samay mag ak samay rak mais aussi samay xarit étudiants et tout samay clients faut pas les oublier <laughs> sans eux voilà je pourrais pas être là pour wax waxi was donc ma len di remercier au plus profond de moi euh, di len la jàmm xewal quoi ko lim ju merci beaucoup